Nous xam depuis que euh, la pandémie a commencé donc ñu ngi ci réunion chaque mardi nous tenir une réunion bu yaatu réunion boobu par les inspecteurs d'académie Nous parlons inspecteurs d'académie nous recevons les syndicats les parents d'élèves la société civile léegi Nous nous nañu aussi bii deuxième réunion pratiquement bu mardi déglu les inspecteurs d'académie Nous avons Nous CRDI autour des gouverneurs nous avons une CDDI gindi na wax nañu liste matériel bi ñaata lañu soxla ci masque laat lañu soxla ci gel ñaata lañu soxla ci testeur flash donc yooyu yëpp donc paré nañ ko xam nañu et à partir de vendredi Inshallah, allah dinañu commencer jël suñu caravane dem diko déposer ci bir Sénégal donc di wax ne réunion bi en tout cas ñu koy def et même du point de vue pédagogique commencer nañu défar suñu emploi du temps pour ñu réaménager année bi donc di wax parents yi dal li nek ci protocole sanitaire bi c'est condition pour que nous le respecte. Si nous respecte, c'est pareil. Avant le 26, après, nous sommes parti pédagogique pour le 2.